Lundi s'est ouvert à Niamey la troisième conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente tous les chefs d'État des pays membres de l'organisation ont répondu au rendez-vous. L'on note également la présence du président malien en tant qu'invité. Ils ont discuté des questions de l'heure et à l'issue des travaux, c'est le président du Togo, Fornyang Singbe, qui a été choisi comme président en exercice du Conseil de l'Entente. Les épreuves du bac 2016 ont également démarré pour les 44 000 candidats repartis sur l'ensemble du territoire et c'est à Agadez que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a donné le coup d'envoi. Mohamed Ben Omar s'est voulu très ferme à l'endroit de tout fraudeur. Faites attention à tous ceux qui pensent que le bac c'est un truc qu'on peut gagner par des méthodes de détournées. Il n'y a pas de méthode détournée. Il faut suer. Donc sachez qu'il n'y a pas de fraude. Il n'y aura pas de, passe-droit. Il n'y aura pas de ceci. Tout celui qui va se faire prendre, gare à lui. Il va payer les pots cassés. Ça, je vous le dis et on ne fera de cadeau à personne. Malgré cette fermeté, certains ont tenté de frauder. Plusieurs personnes, dont des enseignants, ont été interpellées par la police judiciaire pour tentative de fraude à ce bac 2016. Et puis, la réunion de haut niveau mardi dernier sur l'état de mise en œuvre du programme Kandaji. Les ministres en charge du dossier, les bailleurs de fonds ont passé en revue l'état d'avancement des travaux du barrage de Kandaji. Le gouvernement prévoit la mise en eau de ce barrage au plus tard en 2021. C'est ce même jour que le juge a prononcé son verdict dans l'affaire du député Soumana Sanda ainsi que six autres militants du parti Lumana. Le juge les a déclarés coupables d'incitation et ou participation à un attroupement armé le 14 novembre dernier, jour de l'arrivée de leur président Hama Amadou. Ils ont écopé de 12 mois de prison, dont 10 mois fermes et 2 mois avec sursis. Leur avocate, Mme Barry, parle de procès politique. Il s'agit d'un procès politique. Notre combat, c'était de les voir sortir aujourd'hui. Mais comme le tribunal a décidé, nous sommes euh, des légalistes. Nous avons foi en notre justice et nous allons nous soumettre à ce que la justice a décidé. La France, victime d'un attentat terroriste le 4 juillet, jour de fête nationale, c'est Nice, une ville du sud qui a été frappée. Bilan 84 morts et des centaines de blessés. Une telle action, un 14 juillet, jour de fête nationale française, n'est certainement pas due au hasard. C'est ce que pense le professeur Issouf Yaya, politologue nigérien. Cet attentat a été suffisamment planifié. Donc l'endroit qui est choisi, la promenade des Anglais, un endroit suffisamment historique. L'utilisation, donc le mode opératoire, l'utilisation d'un camion a été mûrement réfléchi et je pense qu'il y a tout sauf du hasard euh, enfin, sur le plan culturel, c'est l'orchestre Tal National qui a officiellement lancé son nouvel album mercredi dernier au CFM Taya. Il vaut une quinzaine de titres. La sortie de cet album est prévue dans deux mois.